Écoutez, le message que nous voulons véhiculer à l'issue de ce troisième anniversaire d'enlèvement des 39 femmes et enfants, c'est de montrer à l'opinion publique nationale et internationale et d'interpeller le gouvernement du Niger que euh, trois ans, ce n'est pas trois mois. Trois ans, ce n'est pas trois semaines que 39 femmes et enfants ont été enlevés euh, dans le village de Ngalewa, euh, dans la commune de Ningimi, dans la région de Difa. Donc, euh, depuis lors, nous n'avions jamais cessé de parler de, de, de, ces femmes et enfants. Vous savez que la femme et l'enfant, ce sont des couches quand même qui sont extrêmement vulnérables, même en temps de paix, à plus forte raison en temps de crise. Et en temps de crise, ce sont des couches qui normalement doivent bénéficier d'une protection spéciale. donc c'est pourquoi euh, nous avons tenu à marquer cette journée du, 2 juillet, ça fait quand même 1095 jours, à marquer cette journée pour montrer euh, à l'opinion publique que nous sommes vraiment de cœur avec ces personnes victimes d'enlèvement, mais aussi pour être solidaires avec euh, les parents des victimes et inviter également euh, les Nigériens, en tout cas l'opinion publique, euh, que ce soit ceux qui sont ici à l'intérieur du pays comme ceux qui sont à l'extérieur, même s'ils ne sont pas physiquement avec nous, d'être de marquer leur solidarité en envoyant des petits messages de solidarité à l'endroit de ces personnes enlevées sur leur page Facebook, sur leur page Twitter. Et aujourd'hui, c'est très facile avec euh, ce monde globalisé. Donc voilà pourquoi nous avons tenu à marquer cette journée en commémorant, en organisant euh, cette activité. Vous avez vu, on a fait une petite projection d'une vidéo de, 18 minutes dans laquelle on avait donné la parole à plusieurs acteurs des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, des parlementaires, du chef du village, des, femmes du terroir et d'autres activistes qui ont chacun à sa façon amené, euh, apporté son mot et également enchaîné avec un petit panel pour parler un peu de quels sont les, textes qui protègent les femmes et les enfants en période de crise. Justement, sur les réseaux sociaux, il y a une page Twitter euh, qu'on appelle Je suis Ngalewa. Sur euh, les hashtags, il suffit juste euh, d'envoyer ton petit message et tu mets le hashtag. Je pense que ça conduit directement au lien. Donc dès que vous mettez sur votre page, euh, votre compte personnel même, vous, publiez votre petit message et vous accompagnez à travers le hashtag, tout celui qui clique le hashtag, ça le conduit directement sur la page et les gens peuvent aussi s'abonner à la page pour euh, d'éventuels futurs. Et notre souhait, c'est que la prochaine fois euh, qu'on se, rencontre, ce n'est pas pour commémorer, mais c'est pour célébrer vraiment le retour de ces 39 femmes et enfants vous avez vu dans le témoignage fait par le chef du village euh, lui-même, qui est la voix la, plus autorisée ou la mieux autorisée, il a clairement dit que ce sont des gens qui sont en vie. Ils appellent de temps à autre leur famille pour leur, donner leur signe de, euh, des signes de vie. Et je pense qu'on ne peut pas en dire plus que ça. Il n'y a pas eu, comme pour les autres, de rançon qui avait été demandée, mais on sait qu'il y a deux deux, jeunes qui ont été libérés. Et à l'époque, nous, nous avions interprété le fait de libérer volontairement ces deux personnes. D'autres disent que c'est des gens qui ont fui, mais en fait, ce sont des gens qui ont euh, vraiment euh, été laissés volontairement par les ravisseurs en guise de signe vraiment de vie et d'ouverture de, pour euh, d'éventuelles certainement discussions et échanges au, cas où.